la Fada, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Fatan Kuna Lahiya. Euh, kun ji mene ba kamar kullum ba kama ne sai a hankali. Kwanakin ga siyasa ta tashi. Le vendredi 13 novembre passé, déjà la Cour constitutionnelle donnait la liste des 30 candidats Du coup, les réseaux sociaux, notamment Facebook, Twitter et les statuts WhatsApp se retrouvent inondés de messages, couleurs et slogans des différents partis politiques wa'annan dama suke ba wa'annan 'yan siyasa kuma da su da quels sont les avantages qu'offrent ces réseaux sociaux dans ce processus électoral 2020-2021. Vous l'avez compris, il n'y a pas de palace en musique. La rubrique et la chronique d'Olivier à ne surtout pas manquer Olivier. Ah bah oui, dans la chronique de ce soir, encore euh, une question essentielle. Euh, bientôt, c'est les élections euh, locales au uh-huh. Niger. Mais quel sera le rôle des communes Si on dit chez nous, on a une commune, ben, c'est quoi le rôle de la commune C'est de cela que nous allons parler dans la chronique de ce soir. D'accord, Miss Oli, à tout de suite. Allez, bonne émission, ravi. Merci. Quels sont les avantages liés à l'utilisation des réseaux sociaux eh, on en parle à cette fois bien calé dans le jardin en face du commissariat central de Niamey, place Monteil, Tarda, Noureddin Awadé du TPLR, tous pour la République. Noureddin, ça va Tu vas bien Alhamdulillah, je vais bien de merci. Et Le combat le combat, on est dedans à 200%. Ok, nous sommes avec Ali Hamani Abdel Nasser du mouvement dynamique citoyen MDC. Monsieur Ali, ça va Très très bien. Vous allez bien va falloir rapprocher le micro comme ça. On ne veut pas rater une miette de votre intervention. <laughs> Nous sommes avec un ami de la FADA, mais aussi de la JDP. ça va Oui, ça va. Jeune diplomate et politologue. Yanné ah, En forme, en forme. Et le combat Oui, on est dedans. À fond, hein toi aussi, tu sais. On passe déjà à la première question. On voit beaucoup de publications des partis politiques. Voici quoi qui de Mahaorori Siasar Kassar. Qu'est-ce que vous pensez de cette possibilité de communiquer sur les réseaux sociaux Noureddin Je pense que les réseaux sociaux ont un rôle très important dans le processus électoral parce que tout simplement aujourd'hui on a compris qu'avec les réseaux sociaux et comment euh, de Gaugawa on peut véhiculer un message Ana Sako ouais. hein? et que chap chap chap ah, mutane abunda donc ni dai a gani na rezo sosiyo suna da mana suna da mana tun da yau akwai wayansu abubuwa da suke faru in wani president ko na wani parti ko wani 'yan siyasa yana meeting ko yana wani rencontre ana iya doka image a sa a sallake bisa rezo sosiyo kowa ya gani kowa ya ji kana cikin dacin ka baka samu zuwa sai ka samu kana nan ga gani abun da mutanen da suka je suna nan ga gani bala abun da nace nan ga gani fara fara sa in dawo gare ku ali hamani eh, ya kuke ganin utilization kin da ake ta rezo sosiyo a yanzu eh, bon dans tous les cas, eh, mu iya cewa alheri ne mu mun ka samu mu jeune alheri mun ka parce que in kun ba nos, aînés n'ont pas eu cette chance donc déjà, c'est l'avantage pour nous de véhiculer le message, le message de changement, du changement. Et du coup, on sent que, eh, en grande partie, la jeunesse nigérienne a compris que les réseaux sociaux, c'est pour nous parce que c'est venu à notre temps. <laughs> C'est un avantage. voilà, c'est pour nous quoi. Mais aussi, comment on l'utilise, comment on communique là-dessus. Il y a qui une communication qui est euh, Moi, je pense que c'est en quelque sorte une malédiction pour nous, en réalité. C'est rien vous cacher. Euh, c'est vrai, les réseaux sociaux sont censés être une bénédiction pour nous, parce qu'avec euh, ce qu'on voit et la rapidité même de, de, véhiculer les informations, les programmes des partis et tout, ce qui s'en suit. Mais on voit que c'est transformé en malédiction pour nous. Malédiction parce que tout simplement, il y a un mauvais usage de ces réseaux sociaux aujourd'hui, tantôt par les leaders eux-mêmes, tantôt par leurs militants, tantôt par la population elle-même. Ah ouais? Oui. Ah, kace malediction ya malediction parce que saboda yau in kudi ba abu ne ta kamata da mu doka ga hannu biyu shi yadda ta kamata mai yanzu cikin wannan cikin amfanin nashi yau eh, na banza na ga zaka tambaya gare mu takanas mun ga hanyar za ka bi can za mu bi yanzu ina dawo gare ka wannan ai an yi ta kin shi Allah in Allah shi to shikenan mm, muna nan ta gare shi sai sa sai akwa futul fergaf na gane maka to yanzu bari mu shiga tambayar mu ta biyu a ganin ku a cikin harkar siyasa kowa ke iya iya genre publication koko akwai wanda ya kamata a ce su ne suke bada wannan labarin genre de gens qui sont habilités à le faire où tout le monde peut communiquer sur les réseaux sociaux nuredin euh, cikin parti ma kowa na iya eh ba kowa ne ba on a même euh, dans les textes et un peu partout, il y a ce qu'on appelle les voies autorisées. Akwai mutanen da ya kamata su yi magana, akwai wanda bai kamata ba. Duk parti cin Niger, duk mouvement politique yana da chargé à la communication, hmm. yana da chargé à l'organisation des élections en tout cas kowa da aikin shi donc hmm. ni akwai wayansu abubuwa da nake gani bisa réseaux sociaux directement diba ba ni ce waye rubuta in wani ne je kana hika ba ruwana da wannan ekiricin shi ko publication cin shi ni diba ba ni ce wane ne rubuta la mm. signature de la personne parce que haka ne amma yanzu ba baka iya tashi in tashi kawai in ga wani faux profil ya sa wani sanarwa kawai ni dai in tashi in ce wallahi haka ne il faut il faut vérifier il y a une vérification préalable à faire c'est pas parce que j'ai lu que c'est vrai donc euh, dan shine nake kirawo mutane su yi hankali da wayansu publication su diba wani ne ya rubuta kaka ta ka pour fo profil akwai wani image kin ban san shanu ko wani publication kin eh ko wani image kin eh, Hein? déjà mutum bai sa bai sa visas kin shi ba. Abun da nace di ba kenan. Abun da ban gani kenan. Nagode. Ali Hamani Abdul Nasir bari in gare ka. Yanzu kana tantami ne kai cikin aikin da kuke yi cikin mouvement dynamique citoyen MDC. Comment vous utilisez les réseaux sociaux euh, ben merci pour cette belle question. Parce que la première des choses, nous, le mouvement Dynamique Citoyenne, et la première question qu'on s'était posée, qui sommes-nous Nous utilisons les réseaux sociaux dans un premier temps à passer les informations. Des informations pour orienter les gens. Où est-ce que vous devrez aller Parce qu'à chaque fois, quand tout de suite euh, un de nos frères a parlé de, des publications que mhm. à chaque fois quand ce genre, de choses viennent, nous essayons d'intervenir pour dire voilà ce qui est là. Ne suivez pas. Nous, sommes toujours nous notre objectif, en fait, quand, je sais pas, certains ont assisté à notre, lors de notre lancement officiel, on s'est basé sur la tradition. Nous, on se base sur la tradition. Qu'est-ce que la tradition nous dit Comment on doit communiquer en Afrique, chez nous, au Niger On se base sur ça. Donc, qu'est-ce que vous partagez le plus souvent On conscientise. Tout ce qui conscientise, tout ce qui attire vers l'union, tout ce qui attire vers la compréhension, c'est-à-dire à véhiculer des messages, surtout à la jeunesse, surtout. surtout comme aussi. Vous êtes de la JDP. Comment vous optimisez les réseaux sociaux Bon, je pense qu'aujourd'hui, on a une façon de faire, nous, à notre niveau. Et D'abord, il faudrait. Euh, on met l'accent plus, par exemple, sur la sensibilisation à travers euh, les, euh, les activités qui sont audiovisuelles. Parce qu'aujourd'hui, on constate que les écrits, par exemple, ont peu d'impact d'influence sur la population. Donc nous, par exemple, nous prenons euh, des thèmes qui, qui, font écho dans la société mhm. et nous faisons une analyse, mais une analyse euh, visuelle sur la chose, sur l'activité ou bien sur, euh, sur les thèmes. Mhm. Donc c'est notre façon de faire. Et si vous regardez par exemple notre page, vous allez voir par exemple des vidéos des sensibilisations, d'appels. Déjà même nous avons une activité appel citoyen. Donc c'est une mhm. façon pour nous de contribuer à ce que mon camarade vient de dire, à orienter euh, les électeurs, la population elle-même. Donc vous voyez un peu euh, notre façon de faire. Mais aujourd'hui, je suis désolé, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Nous, comme euh, tous pour la République ou dynamique citoyen, mhm on, ne peut que on ne peut hmm. qu'apporter notre de contribution. Mais l'essentiel du, travail doit être fait au niveau, au niveau, au niveau des autorités. Hmm. Parce qu'aujourd'hui, si on permet à tout un chacun, c'est vrai, aujourd'hui on dit que si on censure la communication des citoyens et tout, ça serait comme une sorte de dictature, autoritarisme et tout, mais souvent l'association l'impose. Ouais, euh, avant de poursuivre euh, ce débat, on va aller euh, faire un tour du côté de la rubrique et voir cette fois-ci dans cette rubrique c'est quel artiste qui s'est exprimé. Et on se retrouve juste après. Nigérienne, Nigérien mes chers compatriotes, surtout Salafada, une génération s'exprime.

Hey. Hey, ça sanu bata hana zuwa yaran da bai ji ka bashi zuma ka velo koko e bindiga inda kana so ya gyara zama judi ke bon sanu da zuwa ubanka ya ce magana zancen magana dakarim magana eh baki abou magana kowa ya ce akwai matsala sur akwai matsala imprévisible supersonique défile en bleu comme le sonic j'envoie mes textes dans le sonic triangle triangle comme un sonic mes rimes sont brisées comme des produits pharmaceutiques. Ça se passe comme ça dans mon petit ghetto avec ma bike auto sur mon poste radio. Je me suis fait renverser au moment où j'essaie de traverser et cette putain de rue. Et me suis intéressé à cette petite barre qui s'est laissée juste devant moi. Elle m'avait laissé me sur un blocage à le bonheur de ce rêve entassé dans ma mémoire. Vous êtes sur le studio Kalangou, ladies de gentlemen, vous êtes sur l'émission Tous à la Fada. Vous êtes sur la rubrique L'artiste s'exprime. Vous le savez déjà, on met en valeur ce que font nos artistes, une manière pour nous d'apporter notre contribution, bien évidemment, ici au Niger, à travers donc la culture. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, aujourd'hui nous recevons des jeunes qui font la fierté de la musique urbaine au Niger. Ils évoluent en carrière solo, Amdi Malam, vous vous rappelez certainement de l'artiste, vous connaissez l'artiste et vous allez encore en savoir plus sur lui dans un instant sur cette émission. Vous connaissez aussi Shidi Banks. Ladies and gentlemen, aujourd'hui nous recevons pas que Hamdi, pas que Shidi, mais aussi Elsa. Aujourd'hui, sur cette émission, nous recevons la formation New Génération à qui je vous demande d'applaudir très très fort. Alors vous allez vous faire du bruit. 2020, année difficile pour nous, c'est vrai, ok, d'accord, avec cette pandémie qui fait ravage dans le monde. 2020, tout tourne au ralenti aussi au Niger. Eh, partant aussi de cette pandémie, mais les artistes, ok, d'accord, en 2020, se sont croisés. Vous vous êtes rencontrés en 2020. Euh, pour vous former, bien évidemment, euh, n'est-ce pas, une union. Mhm. Ok, d'accord, une génération, une nouvelle génération. Alors aujourd'hui, on va parler de ce bloc sur cette émission. Mais avant cela, Amdi Malam, on peut avoir déjà une idée, pour rappel, hein, pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, de qui tu es, c'est important. Ah oui, c'est Cheikh Abel étudiant dans l'état civil. Bien sûr. Voilà, Amdi Malam, euh, chanteur, auteur, compositeur et interprète. Même 40 ans. C'est quoi déjà ton label Nassia Vibes. Nasiya Nassia Vibes. Sidi Banks, on peut avoir une idée de toi sur cette euh, émission Moi, c'est le Banks, le B-E-N-X. Avant, j'étais dans la formation 410 Street. 410 Street, bien sûr. Ouais, après, je m'étais lancé en solo et tout. Et là, aujourd'hui, on est là avec la New Generation. Ok. Inch'Allah. Il y a un troisième élément qui est en principe en devoir. Uh-huh. Il est sur table présentement. Lui, c'est. C'est Elsa. Elsa. Elsa. Le Ouais, bien sûr. Et tu te rappelles de son chant Il faut peut-être le rappeler. Ya, Yauba Mama. Yauba Dama Malang. Le taximan. man <laughs> ah, mais si, là. Regaringa Education Daure. Toga Emmata. Gasabu Arankutaka. Eh, eh, Taxiran eh. Suranta. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. taka. Voilà, lui, c'est tout simplement Elsa, le troisième donc de cette formation. Absent sur l'émission, mais. Et vous maîtrisez bien, eh bien évidemment, ces fleurs, vous le maîtrisez bien aussi. Elsa, qui est Elsa Elsa, c'est. C'est ce jeune frère-là. Ben moi, en tout cas, c'est l'un des meilleurs gars que j'ai connu. Ok. Et franchement, c'est un artiste euh, très talentueux que je respecte et que j'encourage beaucoup. Voilà. Elsa, c'est mon frère, voilà. Tout simplement. Voilà. Alors, Chibi Benz, on sait que tu as volé dans une formation, après tu te retrouves en solo. On sait qu'Amdi Malam, il a commencé aussi avec une formation, c'est ça Ouais. Et tu t'es retrouvé en solo. On sait aussi qu'Elsa évolue en solo. On sait que vous êtes tous chacun est dans son coin. Et eh ben, vous allez me dire aujourd'hui pourquoi vous avez décidé d'unir vos forces. Bon, on a décidé de faire ça parce que mhm. le, le, rap nigérien n'est pas si considéré que ça. Ok. Et partant de ça, on s'est dit bon, les gars, déjà vu que chacun a, a ses fans et tout, on va essayer de faire un truc ensemble. Unifions, donc euh, nos, nos, forces, nos fans. Ok, nos forces et. Nos forces, nos fans, nos connaissances parce que c'est une expérience. Moi, personnellement, pour moi, c'est une expérience de... rencontrer, bien évidemment, Amdi et de voir comment est-ce que vous allez une vos forces et rencontrer aussi Elsa. Alors, Amdi madame, tu vas me parler de New génération. Quand est-ce que cette formation a vu véritablement le jour euh, Nous, a vu le ah. jour euh, en, juillet. Voilà. Juillet 2020 en 2020. pendant la grande pandémie. Voilà, pendant la grande pandémie, déjà on s'est concerté, on a discuté, on a pensé à l'idée après voilà, on s'est engagé. Et voilà, quelques mois. Actuellement déjà le projet est fini. Nous sommes en novembre. L'album est fini, voilà. Et là, nous sommes en train de songer déjà à balancer des trucs. Entre-temps, on a lancé deux extrait de l'album. On va parler de l'album dans un deuxième angle, mesdames et messieurs. Vous avez une idée, bien évidemment, de cette très grande formation. Nous, Génération, ici, en nombre de trois pour rappel. C'est Shiri Banks, c'est Amdi Malam, c'est Elsa. La New Génération était sur l'émission euh, Franco Aoussa. On se donne donc rendez-vous demain, plaisir à Dieu, euh, sur l'émission Tous à Franco Germain pour parler des projets de cette très grande formation, des projets en question, de ces artistes euh, qui composent bien évidemment cette formation Nuit Génération, C'était donc euh, la machine et les jeunes sur l'émission Tous à la Fada en la rubrique L'artiste s'exprime. Ne zappez surtout pas. Restez en notre compagnie. La suite, c'est dans un instant. Pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, depuis la place Monteil, en face du commissariat central, nous poursuivons cette fada avec Ali Hamani Abdel Nasser du mouvement Dynamique Citoyenne MDC, Noureddin Awade du TPLR Tous pour la République, Tarum Kimona Wannan Hirad Isaka Mossi de l'AJDP, Association des jeunes diplomates et politologues, nous parlons du rôle que jouent les réseaux sociaux dans le processus électoral 2020-2021. l'utilisation qu'on fait des réseaux sociaux wannan sadodin kafa zumuntan ya ne ake amfani da su cikin wannan harkar siyasa da wannan zaben da ake na ana shiryawa to tambaya ta ta hudu quels sont les avantages qu'offrent les réseaux sociaux cikin wannan shirye-shiryen zaben da ake nuruddin in zo gare ka eh, tunda yanzu lokacin zabe ne ya zo lokacin zabe ne ya zo kuma mu 'yan siyasa ne mhm. mu muna godiya eh, réseaux sociaux vraiment sun taimaka munu parce que mm. grâce aux réseaux sociaux mun samu mun taba mutane da dama da harin kaman tsakanin mu ne eh, ban arzikin da yake sa mu doci motoci mu zuwa a Niger mu je Difa, Zender, Maradi, Doso. Amma avec Facebook de WhatsApp muna rubuta muna yi video muna tura bisa rezo sai mutane su taba mu kai ku ina kuce ku eh, reference kin siège cinku menene parti cinku eh, mouvement mine menene kuce ku vala vala et sincèrement grâce à réseaux sociaux euh, mu dai mun ci gaba mun ci gaba tun da utilisation kin da muke ma muke yi bisa réseaux sociaux c'est an zamana ko ekiri za mu yi ba haka nan ne wani zai tashi wani nurawa da ya tashi kawai ya rubuta abin da yake so bisa page sai ya, tura a ba haka ce ba in ka rubuta akwai wani committee da sunan shi directoire sai ka sa rubutun da ka can a diba an yende shi mm. a gani yadda ya kamata hadi abun yakamata ya tabata ya voilà vala vala sponsoring ban ma sponsoriser écrit ci mu ko vidéo ci mu da mutane da dama su ah ah sa mu ce sai ku gani akwai mutane da dama masoyin mu ci mu sai su sa su yi partage bisa statut whatsapp bisa eh, skype bisa facebook mm. c'est eh, sai ku gani mutane suna réseaux sociaux voilà donc là on a carrément un jeune politicien qui arrive à utiliser ces interfaces pour séduire euh, <laughs> ses électeurs. <laughs> Moi aussi, <laughs> toi tu as, une vue d'ensemble sur tout ça. À comment on peut les optimiser au mieux et vraiment en utilisant sur le cas ou quoi. D'abord, pour commencer, moi je dirais que voyez, il y a eh. une chose qui est importante pour nous, mhm. c'est l'interconnexion. Aujourd'hui, vous voyez, euh, un kasa qui ke par mhm. exemple, suna da labarin un uwansu wanda ke cikin sauran jiha, sauran kasashe kuma. Kun yanzu duk abin da ke waruwa nan wajen, labari. Mais c'est vrai, muna da, eh, comment on appelle ça? À travers cette interconnexion-là, on peut faire beaucoup de choses. Et beaucoup de choses se font même. Et, mais tout de même, ce n'est pas une raison aussi pour euh, être aveuglé par la réalité des choses. Moi, j'insiste, je vous ai dit. Moi aussi, attire l'attention. Il attire l'attention. Moi, moi vraiment, je, je, vois, je vois actuellement, je vois certainement le mauvais côté à travers l'usage que, que, que la population est en train de faire des réseaux sociaux. Si vous regardez aujourd'hui, si, si vous regardez aujourd'hui, euh, il, il suffit tout simplement qu'une information qui est tout à fait fausse passe et qu'elle peut toucher à la minute, elle peut toucher des milliers et des milliers de citoyens. Et si, par exemple, je vous donne un exemple, si euh, un leader, par exemple, dit brûler, par exemple, sortir, marcher et casser, s'il donnait le mot d'ordre à travers les réseaux sociaux, des milliers de ces militants peuvent voir ça et peuvent suivre et peuvent répondre à ce mot d'ordre sans pour autant savoir qu'ils sont en erreur. L'information ne, vient pas de lui. Donc il faudrait être attentif, il faudrait être regardant. à ce sujet. je. vais me lancer dans, dans une logique et la logique au fait elle est toute simple. L'utilisation des réseaux sociaux au Niger ici, nous, nous avons commencé à utiliser les réseaux sociaux. Euh, kamar yadda mun ya kamata mu hara ba da shi mun Y a wayancan sun ka kare da shi mun haro les réseaux sociaux si tu prends WhatsApp Facebook surtout WhatsApp parce qu'au Niger on utilise beaucoup WhatsApp au Niger on a commencé à faire la guerre avec quand j'ai dit la guerre entre guillemets quoi Azo zo in zage in zage zage in waye waye da shi an kawara su ko su waye sun kawara shi yan siyasa c'est eux qui nous ont motivés dans ce sens parce que c'est eux qui ont utilisé ça. Et la jeunesse a automatiquement copié. Parce que du coup, la jeunesse nigérienne, en grande partie, quand elle copie kaya, du mativisme quoi. Les gens suivent du mativisme. Au de non, bah, kamar mu fara business business réseaux sociaux, in kirawo mai frarra kai ina da ina da wani abu na saida ya kun ka gani ça on a commencé à utiliser ça dans le côté politique pas politique pour développer un hein, politique politicienne donc ba mu fara da yadda kamata mu kowa ya sani ne tout le monde est pédant tout le monde on joue trop pédant ni na sani ni na sani donc il y a des choses qu'il faut utiliser les réseaux sociaux normalement da a samu abinci ne ba a zuwa yi ta hada ne kun shi dai abin da Ali ya ce <laughs> réseaux sociaux on a qu'à bien les utiliser déjà ok <clears throat> euh, comme je l'avais dit tout à l'heure il n'y a pas de fada sans musique on va faire une pause musicale et euh, on se retrouve juste après Apologize de Timbaland et One Republic on se capte après I'm holding on your rope, got me feet off I'm hearing what you say, but I just can't make a sound. You tell me that you need me, then you go and cut me down. But wait, you tell me that you're sorry, didn't think I'd turn around and say. soit trop tard pour s'excuser sur les réseaux sociaux. On va se retrouver euh, sur la FADA, ici en face du commissariat central. La FADA est bien calée dans le jardin public. On parle de l'utilisation des réseaux sociaux, comment les optimiser dans ce cikin wannan, comment les optimiser cikin wannan lokacin zaben da ake da wannan siyasa da ta tashi. Yani ake yin unhani da kafofin sada zumunta da kyau. Hira ce muke nan ga tare da Nuruddin Awade du TPLR. Ali Hamani Abdel Nasser du mouvement dynamique citoyenne et ça comme aussi de la JDP. La dernière question de cette émission, à votre avis, à quoi faut-il faire gaffe Moi aussi, je sais que tu es pressé, tu es, vraiment pressé de tomber sur cette question. À quoi faut-il faire gaffe Tu connais utilisation qui Au danger qui est partout et nulle part. Il est partout et nulle part parce que tout simplement aujourd'hui, il est difficile d'identifier avec précision C'est mhm. ces dangers. Il faudrait d'abord pas au niveau même du, gouvernement, des autorités. C'est vrai, les autorités peuvent aussi jouer un rôle important, mais nous-mêmes, on peut s'insérer des informations. C'est comme ce que notre frère euh, Awadé nous a dit. À travers même le profil, aujourd'hui, on peut connaître la réalité ou bien la véracité même d'une information. Oui, à vérifier. justement. À Vérifier, à vérifier, j'attire aussi l'intention par exemple, des, partis politiques, parce que toutes les violences euh, qui qui se font c'est en leurs sources, euh, par exemple, euh, au niveau des militants des partis politiques. Parce que c'est la politique qui nous divise aujourd'hui, malheureusement. Ce que je peux dire, c'est que je peux dire... Voilà, abonne tu as que c'est ça, c'est Sai ke su tsaya su diba ko cikin ko da mutum yana tare da su. Tanke mutumin nan su hana shi. Su hana shi kuma kowane parti politik ya samu shafi na kanshi wanda kamar duk in information in kana so information eh, eh, vrai wanda dai ba a abu ba bata ba ka tai saman shafin suka in zo gare ka ce ifo fergaf vigilance vigilance to gare ku yake da sociaux ban na iya cewa bai da kote na hago mhm. bai tunda don abu na dan adam sai ka gani akwai wani kuskure allah dai ne in yi wani abu ka san da 100% nan ne babu wani exception regilcin baita da exception amma in mun zo bisu rezo sosiyo yau ha rezo sosiyo sai a hankali kana nan a ne in kai dan siyasa ne ko kanka bai ya birge wani sai ka ga bisu whatsapp an sa image kinka kai ga ka a zindir ashe ma ba kai ba bane <laughs> wani ne aka doshi sai aka sa kanka sai aka ce kai ne wannan bai kamata ba don abun nake so bisa teren politik cin akwai wanda ake ce ma formation republican et citoyenneté akwai da formation da dama da ya kamata 'yan siyasa su ma militancinsu ka gane ko tun da ni inda in ka diba aka ce injina nasaru aka ce education abunda uba ce koya ma da ne amma technology abunda da ke koya ma uban shi ne dan shi ne kuna gani da yawancin 'yan parti politik ko an yi information na intox ba zuwa da gaugawa tunda ba bisa, bisa facebook kun ba iya ba C'est an hada mu wani musu sai a zo a kawo ina kun ya kamata a unhwanin kirki da Avant de se dire au revoir avec nos chers invités, Olivier, on te reçoit, re-reçoit sur la FADA. Yanné Ouais, ça va, Ravi. Ça va Ouais, tu as de ne pas m'inviter à ton débat là c'est ah, très bien. Olivier, bon je débat. te dis, si je, je devrais me mettre ça, ton consultant sur la fin. On va pas finir. Ouais, tranquille, <laughs> tranquille. Je t'écoute, Olivier. Alors, euh, bonjour à tous. Bonsoir à toi, Ravi. Bonsoir. J'espère que tu vas bien. Je vais super bien. Eh bien, grosse question encore euh, ce soir. La commune, son rôle et ses attributions. C'est le thème de la chronique de ce soir, Ravi. Ok. Je t'écoute. Bonsoir à tous. Dans quelques jours, les Nigériens seront aux urnes pour des élections locales et municipales d'abord et ensuite législatives et présidentielles. Ce soir, dans la chronique, nous allons nous intéresser aux élections locales et municipales. Des élections à l'issue desquelles les communautés auront à choisir leurs représentants dans les communes. Les communautés choisiront des élus locaux, conseillers municipaux et maires. Si je me réfère au Code général des collectivités territoriales, je peux aisément affirmer qu'au Niger, il existe trois types de communes. La commune rurale, la commune urbaine, la commune à statut particulier dénommée la ville. Un statut qui est déterminé par la loi. Selon vous, ici présent, pouviez vous nous dire, ou bien selon vous, ici présent, quel est le rôle de la commune Mon frère du MDC, est-ce que vous pouvez nous éclaircir un peu ou bien Nourdé Awadine qui est en route pour, euh, en tant que candidat en route pour euh, une commune de la capitale. Selon vous, quel est le rôle de la commune Et merci beaucoup Olivier pour euh, cette question très pertinente parce que d'abord la commune c'est une collectivité, c'est un démembrement de la région. Donc étant donné que c'est un démembrement, la commune a un rôle préventif, un rôle préventif à jouer par rapport à, sur le plan sanitaire, sur le plan sécurité, sur le plan éducation et sur plusieurs plans culturels et sportifs. Donc c'est dire que la commune, c'est la République en miniature, c'est le pays en miniature. Le maire a des prérogatives, c'est vrai, en miniature. Le maire, c'est comme si c'est le président dans la localité. C'est l'élu de la localité et donc il doit gérer la commune de la même manière qu'un président Gère gérer un, État. Bien, et on va se référer à présent au Code général des collectivités territoriales. Merci également à toi, merci surtout à toi, Nouridine, de nous l'avoir éclaircir la commune. Selon le Code général des collectivités territoriales, la commune assure les services publics répondant aux besoins de la population et qui ne relèvent pas de leur nature ou leur importance de l'État ou de la région. La commune, elle jouit de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Pour l'exercice de ses compétences, elle dispose d'un budget, d'un personnel et d'un domaine propre. La commune est dirigée par le maire, entouré du conseil municipal. Eh bien, chers amis, comme annoncé au début de cette chronique, dans peu de temps, les citoyens nigériens iront aux urnes pour choisir leurs élus locaux. Alors, on se demande quel sera leur, rôle, leur attribution. Amis, auditeurs et auditrices de tout à Fada, à demain pour répondre à ces questions essentielles. D'ici là, portez-vous bien. Merci Ravi. Bye bye. Merci Olivier. On se dit à samedi. On se retrouve samedi prochain. C'est euh, la fin de tout ça, la fada comme ça. Ali, Hamani, Abdel Nasser, comme tu l'as dit, je t'écoute pour la conclusion, uh-huh. moi je dirais tout simplement les réseaux sociaux, il faut profiter pour reconstruire, pas pour détruire. Voilà, profiter pour construire, pas pour détruire, ça. Ali l'a bien dit. Donc, on se dit au revoir. Je vous rappelle encore notre grand rendez-vous du 5 décembre à la place AB. On va parler avec les étudiants, leur rôle dans ce processus électoral. C'est ça, non, Olivier, je ne me trompe pas. Ah non, tu ne te trompes pas, Ravi, c'est exactement voilà. Au revoir tout le monde. Demain, vous allez retrouver mon binôme Dandy. Avec lui, il s'agira de tout ce qu'il faut éviter et à quoi il faut faire vraiment gaffe en utilisant ces réseaux sociaux dans ce processus électoral 2020-2021. N'oubliez pas le numéro 80 06 88 à 54. Vous pouvez réagir sur nos émissions sur Bye Bye